au Sénégal. Et je suis très heureux de rencontrer Monsieur le maire euh, ici à Thiès. C'est ma première visite. Ah et euh, je suis venu parce que nous avons une très bonne coopération dans le domaine médical avec l'hôpital de Thiès, où il y a régulièrement euh, des médecins tchèques qui viennent ici pour les opérations, et pour les formations. Il y a des médecins de Thiès qui vont en Tchéquie. Et nous avons euh, les grands euh, objectifs dans ce domaine parce que cette année, euh, cette coopération dans le domaine médical devrait s'élargir encore. Mais je suis très heureux de pouvoir être accueilli par Monsieur le maire parce que nous en avons parlé comme d'un point de départ pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans les autres domaines qui sont importants pour le développement de Thiès. Vous pensez dans quel domaine prioritaire à part Alors, la santé avant tout dans le domaine économique, c'est-à-dire il faut regarder où nous avons des complémentarités, des choses que nous pouvons faire ensemble qui seraient dans l'intérêt de deux parties. Mais nous avons pas seulement parlé de la coopération économique, euh, nous avons parlé aussi de, traditions, tradition de culture, de, ce qui fait l'identité de votre ville, euh, qui est une ville euh, certes jeune, mais aussi une ville avec une histoire et nous avons euh, l'intention de chercher comment on pourrait euh, travailler ensemble dans le, dans le domaine de la coopération décentralisée avec une ville euh, semblable avec une forte identité, forte histoire en Tchéquie parce que c'est ça notre métier pour nous les diplomates, de mettre les gens, de les mettre en contact, de faire à ce qu'ils eux-mêmes trouvent des voies de travailler ensemble. Merci. tay man ma dalal ambassadeur république tchèque fi ci Thiès ñu waxtaan ci fànn yu bare bare waye bi ci ëpp solo jitu ci moy mbirum wërgu yaram ndax té xam ngeen ni depuis lu ëpp juroomi at république tchèque ak mu jot fay ñëw Thiès di jappalé surtout neew gi doole ci walu faju Euh, boo xamante ni lu ëpp junni ak juróomi téeméeru doomu Thiès euh, def nañ ay ay intervention yoo xamante ni bénéficié woon nañ ko ci ci ci domaine yu bari ORL euh, orthopédie gynécologie effectivement traumatologie yoo xamante ni bénéficié wu nañ ci loolu mu nekkoon occasion boo xamante ni dinañ leen ci sargal remercier leen ci ndaxte ay ñu néew doole ay doomu Cees yu néew doole ci boppam yu néew doole ci boppam ñoo ci ñoo bénéficier wu donc ci programme yooyu ñu waxtaan ñu waxtaan aussi ci yeneen i domaine yoo xamante ni bëgg nañ ci indi partenariat euh, ci wàllu formation euh,